nag li muy diggal association yi ASC yi nañ dugg ci quartier yi wax ak xale yi parce que xale yi duñ takk mask te mag ñi dañu nuyu seen baay yi nuyu seen maam yi dina wall feebar te xel mën naa dox feebar ba wér du ko yëg ba mu nuyoo kilifaam nag mën na ko bàyyi feebar boobu kon may ma ñaan ASC ci dëkk bi nañu sol seen dal dugg ci seen moroom yi wax ñoom fii la samay mbokk commerçant yi li ma leen di wax rek mooy que ne dañuy xool produit parce que nag commercant yi ñu bëri nag souvent dañuy topp liggéey bi rek duñu xool produit duñu xool date yi quoi ah loolu tamit erreur boobu mi ngi si ñoom quoi mais souvent nag nit ku looy jënd rek xoolal date bi quoi ah agent bi nag bu ñëwee si yow respecté ko jox ko cëram bàyyi ko mu def liggéeyam bu la jàppee bu la yi nga ñëw wuyu ko bu ëllëgee di nga xam sax yow bu ëllëgee. Euh, boo daan euh, produit bu permis sax doo ko jaayati parce que boo ko ñëwee ko boo ëllëgee bo démé di nga xam nooy la pandémie oblige on a obligé de de de de de laisser tout dans le magasin actuellement le magasin est rempli le magasin le magasin est plein on est obligé maintenant de de de sortir le produit et faire la destruction et et euh, on a fait on a fait ça aujourd'hui prétexte de sensibiliser les populations sur la vente et la consommation de ces darés à, à l'approche des fêtes de, Tabaski. Et, généralement, les, gens attendent ces moments pour faire sortir ces produits et les vendre sur le main. Et, la consommation de ces produits, est très dangereuse. Et ça peut nous amener à des, à, à des des insécurités alimentaires. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ce prétexte-là pour sensibiliser à travers euh, aujourd'hui euh, pour la consommation de, de, ces, produits. La, la, quantité est estimée à, 57 tonnes, euh, soit, soit un, valeur de, de, 30, de 30 millions. 31 millions oui. Le service vérifie ces produits périmés. Parce qu'il y a des commerçants verrieux qui, sont qui, qui, qui, vendent ces produits euh, périmés. Ils attendent non seulement ça à la veille des fêtes, mais tous les jours, il y a des gens qui vendent ces produits périmés. Mais généralement, à la veille de ces fêtes, ils sortent ces produits pour les vendre. Euh, nous aussi, chaque jour que je fait, normalement, comme je, viens de vous dire, on devait faire la cérémonie au mois de, au mois de mai, mais au, mois de mai, au mois de juin, il y, a presque deux, deux, mois, deux mois de plus. C'est pour cela le magasin est rempli. C'est de la boisson, c'est de la boisson également. Il y a aussi de la moutarde, il y a aussi d'autres produits. Il y a, du Nescafé, il y a, de, la, mayonnaise. Il euh, y a beaucoup de produits. Il hein. y a beaucoup de produits. Il y aussi euh, des produits pharmaceutiques euh, qu'on a saisis.